Bonjour chers auditeurs, il est 11h à Niamey et c'est l'heure du Niger sur Kalangou. Et merci de nous recevoir chez vous. À la présentation, je suis Mariamade avec moi Rabia Mekano. Comment vas-tu Rabi en forme ce matin Je vais bien Mariam et toi Ça va bien aussi Rabi. Dis Rabi, 14 ça te dit le 14 février, bien sûr, Mariam, c'est la fête des amoureux aujourd'hui. Donc, on souhaite joyeuse fête euh, des amoureux à tous les amoureux qui nous suivent sur cette émission. Voilà Mariam, tu as quoi pour nous au menu ce matin Dans cette édition Rabi, nous allons recevoir Karim Djoubo, un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans la restauration rapide communément appelée fast food. Il va partager avec nous son expérience et quelques clés pour réussir dans ce secteur. Ensuite, on aura de la musique qui sera ce matin un véritable voyage sur les dunes de l'Aïr. Et oui, nous allons aussi rejoindre notre correspondant à Gades pour le reportage des régions. Enfin, la rubrique Lotti, une spécialité de l'équipe femme du studio Kalangu. Bikoba Mustafa Yakuba qui assure la technique et Adam qui notre chef d'édition. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons cette édition avec notre flash d'information qui sera assuré par Ali Tajissir. Bonjour Ali. Bonjour Abi. Ben, quelles sont les nouvelles aujourd'hui ah oui, aujourd'hui nous allons parler d'abord euh, du 13 et 14 février qui se tient à Niamey le Forum international sur la résilience urbaine au Niger face au changement climatique. À travers cette rencontre, les autorités nigériennes ont réuni une multitude d'intervenants sur tous les sujets majeurs ayant un rapport au changement climatique. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lao Magaji, a rappelé que l'année dernière, près de 4 millions et demi de Sahéliens étaient exposés à la sécheresse et aux inondations. C'est pourquoi l'État du Niger s'est engagé dans la recherche de solutions aux crises qui impactent le pays. Euh, deuxième sujet, le colloque international sur les cadres juridiques de la régulation des contenus en ligne a pris fin hier, une activité organisée par le Conseil supérieur de la communication qui a pour objectif d'apporter des recommandations pour établir un cadre juridique qui rassemble à la fois la lutte contre la désinformation et la liberté d'expression. Plusieurs réseaux de régulation régionaux et internationaux ont pris part à cette rencontre. Nous terminerons par euh, le séisme en Turquie et en Syrie. Il y a plus de 37 personnes décédées euh, suite au séisme qui a frappé le deux pays depuis le 6 février passé. Jusqu'aujourd'hui, ce bilan est provisoire. Les équipes d'urgence continuent les sauvetages. Nous avons contacté l'Union des étudiants nigériens en Turquie, euh, IONUT. Le président de la structure nous a rassuré que jusque-là, on ne dénombre aucune victime nigérienne. Ils ont tous été acheminés vers des sites sécurisés indiqués par les autorités turques. Merci bien Alita Isira. à très bientôt. très bientôt. Comme annoncé dans cette édition, nous, accueillons notre invité du jour, Karim Jubo, restaurateur. Il nous édifiera sur le concept fast-food ou restauration rapide et comment réussir dans ce secteur. Bonjour Karim et bienvenue sur cette émission. Bonjour, comment allez-vous ça, va bien. J'espère que vous avez préparé votre cadeau. D'aujourd'hui, de la Saint-Valentin. Mais Valentin, là, c'est qui On entend parler de lui un peu partout. Hé <laughs> hey, Karim <laughs> On va se dire que c'est OK pour le cadeau alors. OK pour le cadeau. <laughs> bon, voilà, Karim, avant d'entamer notre discussion, voyageons d'abord en musique avec le groupe Tandé d'Agadez. Souvenir, souvenir avec cette chanson qui a bercé l'enfance de plus d'un d'entre nous, je vous garantis. On écoute. chez les femmes Touareg qui pratiquent encore les, les nomandismes saisonniers et ce sont les femmes qui ont le monopole de la musique instrumentale. Ces styles, c'est-à-dire des chants d'étendue, sont exclusivement féminins. C'est une femme tambourinaire Tamawate qui joue l'instrument fait d'un mortier recouvert d'une peau de chèvre. C'est aussi elle qui chante en soliste accompagnée d'un chœur composé de femmes essentiellement. Mariam, cette voix qu'on entend, c'est la de Fanta Khadija. Elle fut sans doute l'une des meilleures représentantes de cette catégorie musicale, ex-captive du groupe des Igalgawen. Quelle Fadei Mariam, euh, le tamashek, c'est compliqué, hein Guerrier guérie en français, elle n'avait pas de concurrente dans son campement ni à Ingal. Elle est originaire d'Ingal. Son talent et sa renommée étaient à ce point reconnus qu'elle était fréquemment invitée à se produire lors des fêtes, des réceptions officielles qui se succèdent à la période de la cure salée. Cependant, ce sont surtout les personnages du campement et la chronique régionale que Khadija évoque dans ses chants. Et oui, Rabi, l'instrument est joué à des occasions pendant les courses des chameaux qui ont lieu l'air d'un mariage, d'un baptême, d'une réunion officielle ou de toute manifestation prétexte aux hommes à exhiber sous leur meilleur jour. Et les séances de danse assises takabes teges qui mettent en œuvre un processus de guérison de certaines affections psychopsychiques appelées maladies de génie chez les Touaregs. Après cette euh, belle balade musicale, nous avons vraiment remonté euh, dans le temps, recevant notre invité sur ce plateau, Karim. Vous pouvez nous dire, c'est quoi vraiment le fast-food et qu'est-ce qui le particularise des autres commerces de nourriture Bonjour. Euh, pour commencer, j'aimerais vous, remercier de m'avoir accueilli ici et de m'avoir donné l'occasion de pouvoir partager mon expérience. Merci à toi d'être là. Merci. Et donc c'est bien le matin de commencer avec ces, jolis sourires. <laughs> Et euh, donc pour répondre à votre question, le fast-food, c'est quoi Le fast-food, c'est comme son nom l'indique. On a deux mots, fast et food, euh, de, l'anglais. Euh, c'est pouvoir donner, présenter de la nourriture à la clientèle d'une manière rapide et chaude. Et donc moi, je suis le propriétaire de KLF, qui est fast food, mais en même temps street food. On a rajouté la street food, c'est-à-dire que on, présente, on, on, donne aux clients euh, à, notre clientèle de la nourriture qu'on trouve dans la rue, là où les gens ne peuvent pas forcément aller manger à cause des mesures d'hygiène, etc. Donc chez KLF, c'est ce qu'on présente. Euh, la particularité de KLF, y en, je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est que à KLF, vous allez trouver, si vous voulez, euh, la cuisine du monde. Bon, moi, j'ai la particularité d'être euh, quelqu'un de gourmand. J'ai eu la chance de voyager un peu partout. Et tous les plats qui m'ont marqué aujourd'hui et que j'ai aimé se trouvent à KLF. Ok, donc tu les fais euh, dans ton fast-food. Et donc, ce qui particularise ce que tu fais, c'est vraiment la rapidité. Donc, c'est ça, c'est la rapidité. On, a pour objectif d'essayer de, servir nos clients en moins de 15 minutes. Ah ouais. Oui, euh, parce qu'il faut, il faut tenir compte que vous n'êtes pas venu que pour manger, vous avez beaucoup de choses à faire en dehors de venir chez KLF. Voilà, mais la musique, c'est une affaire de temps. Comment vous vous organisez pour euh, tenir le rythme, justement La cuisine ou la musique la cuisine, voilà. Ah oui, la cuisine, hein. <laughs> trop de musique euh, <laughs> dans la tête. Oui, la cuisine, c'est une affaire de temps, effectivement. Bon, écoutez, c'est comme dans toute chose, il faut s'organiser. Quand on se lève le matin, on ne porte pas ses habits avant de se laver. Donc, euh, il y a tout, il y a l'inventaire de stock à préparer, euh, il y a comment, le setting des tables à préparer, etc., pour pouvoir vous accueillir. Donc, c'est une question d'organisation et il faut surtout aimer ce qu'on fait. Et cette nourriture qu'on prépare qui a du goût. Mais comment vous arrivez à avoir euh, ce résultat en si peu de temps Comme je vous ai dit, je suis un grand gourmand mhm. et je ne me suis pas lancé dans, KLF au hasard. Donc j'ai fait des tests euh, à la cuisine d'abord. J'ai fait goûter aux gens. J'ai goûté. Euh, ce que les gens ont apprécié, c'est ce que je vous présente aujourd'hui chez KLF. Alors, Karim, selon vous, quelles sont les clés pour réussir dans ces business et conserver sa clientèle Ok, les clés, euh, je vais dire que ça dépend de tout un chacun. Moi, selon moi, les clés du business, c'est déjà être travailleur, avoir l'humilité et savoir qu'on est, on, apprend toujours, on peut apprendre aux autres et surtout qu'on peut apprendre des autres aussi. Et il faut s'imprégner aussi de la dimension psychologique et euh, sociale de l'environnement dans lequel on fait son travail. En ce sens que il faut apprendre, il faut savoir qu'est-ce que votre clientèle veut, il faut savoir avec qui on travaille et pour qui on travaille. Merci bien Karim, nous poursuivrons cet entretien juste après les rythmes entraînants des Akhir des Bambino. bien que nos auditeurs ont dansé comme nous sur ce plateau. Sur ce titre de pure guitare, Bambino chante le changement de la vie, tous ces bouleversements qui changent les mœurs et les repères de la société. Dans ses compositions, généralement, Bambino chante la paix, l'amour, mais aussi les turbulences de la vie, notamment la sienne. Et eh oui, Rabi, rappelons que le groupe Bambino est composé de quatre amis musiciens et se sont associés par la réalisation d'un projet artistique commun. Cette bande du Niger est constituée par Kaoussé Mohamed, Ibrahim Emoun, Kiljat Moussa Albade et du leader Umra Mukhtar Bambino. Ils évoluent dans le rock et le blues. En 2019, ils sortent un album qu'ils baptisent Music from Niger. Mariam, c'est plutôt en 2009. Dans son parcours euh, Bambino a rencontré des grands de la musique, notamment le réalisateur américain Ron Wyman, qu'il rencontre en 2009. Wyman décide de présenter Bambino dans un documentaire qu'il tournait au sujet des Touaregs. La même année, il amène Bambino à Cambridge, Massachusetts, aux États-Unis, pour commencer l'enregistrement de l'album Agadez dans son studio personnel. L'album sort en avril 2011 et c'est le point de départ d'une belle et grande carrière musicale. Et eh oui, Rabi, d'ailleurs, en 2019, pour la première fois de la carrière d'un artiste nigérien, Bambino est nominé au Grammy Award dans la communauté Best World Music Album, où il était en liste avec Fatmata Diawara, la malienne. Il n'a pas gagné, mais cette nomination a fait grandir davantage sa cote au Niger et les invitations sur les scènes internationales se sont multipliées. connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Merci pour ce son, Bambino. C'est quelqu'un, hein Karim, vous l'aimez bien, Bambino ah Il nous fait voyager, on était déjà dans le désert là. Euh, voilà, Karim, nous poursuivons notre entretien. Revenons à la cuisine à présent c'est plutôt délicat comme activité. Un faux pas et ça peut aller dans tous les sens. À votre avis, à quoi il faut faire attention pour réussir dans le domaine du fast-food euh, Le faux pas qu'il ne faut surtout pas faire, c'est euh, rigoler avec la chaîne du froid. Et euh, il faut être très strict sur les mesures d'hygiène. Donc, il faut respecter la chaîne de froid, servir des produits frais aux clients, s'assurer que les employés utilisent des gants, euh, du savon pour se laver les mains. Donc on est derrière tout ça pour justement vérifier de A à Z que vos produits soient vraiment euh, sains. Ok. Et, les produits sains, justement, où est-ce qu'on peut euh, s'en procurer ici À ton avis, tu peux nous donner des pistes mm, Merci de poser la question. la particularité encore chez KLF, c'est qu'on sert des produits frais à 98%, on, ne sert pas de surgelé. Donc il faut se lever très tôt le matin, aller au marché, comme tout le monde, à l'abattoir, choisir des morceaux de choix, euh, revenir, euh, les nettoyer, les mettre au frigo, les travailler, couper, etc. Les tomates bien nettoyées, la salade, etc., etc. Euh, je pense que c'est, il n'y a pas de secret quoi. il faut, rester propre, très hygiénique, et il n'y a, pas de problème. il faut être derrière son business. Ce C'est pas déléguer les gens, venir aller nettoyer sans contrôler, non. Donc il, faut, être, là, il faut être au taquet. Oui, il faut être au taquet, il faut être présent et il faut aimer ce qu'on fait aussi d'abord. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour bien servir ses clients. Ben voilà, c'est euh, le mot de, de, Karim. Karim. Euh, merci bien, Karim C'est Un plaisir de vous recevoir. Merci, merci à vous. Donc, euh, <clears throat> nous poursuivons dans notre rubrique mhm. hebdo, nous allons parler de santé, plus précisément de la méningite. Des cas ont été enregistrés dans, certaines localités du Niger, notamment dans le département de Matame, région des Andera. Aujourd'hui, Zainabou Abdou s'est entretenu avec Dr Rachid Isaka, médecin généraliste à la clinique royale. Comment se manifeste la maladie et surtout comment la prévenir Dr Rachid Isaka répond au micro de Zainab Abdou. Docteur, qu'est-ce que la méningite et comment elle se transmet Nous pouvons définir la méningite comme étant une maladie épidémique qui est due à l'inflammation des méninges, qui sont les enveloppes euh, qui protègent euh, le cerveau. C'est une maladie très contagieuse. C'est à travers les gouttelettes de fluge, donc euh, à, travers les éternuements, la toux. Donc il y a les petites particules de salive et de sécrétion qui sont extériorisées. Donc c'est à travers ceci que cette maladie peut se transmettre d'un homme à un autre. Et il y a aussi d'autres voies de contamination qui sont moins si on peut le dire. Donc il y a, à travers les traumatismes crâniens, lorsqu'il y a une issue, il y a les, microbes qui peuvent euh, migrer. Il y a aussi la migration qui se fait en cas de sinusite ou bien d'otite, donc dans les infections ORL, parce que les infections ORL sont voisines du, du cerveau. Quand il y a une infection, même un simple furoncle qui apparaît au niveau de la partie supérieure du, du corps peut entraîner une méningite. Comment se manifeste la méningite chez la personne atteinte Lorsqu'elle survient, il y a tout d'abord ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est la période qui s'écoule entre le premier jour de contact avec la maladie et le jour où survient le premier symptôme de, la maladie. C'est ça l'incubation. Donc cette période varie de 2 à 4 jours. Le plus souvent, elle est silencieuse. Après cette euh, phase d'incubation, il y a ce qu'on appelle la phase d'invasion. Donc la phase qui vient après est la phase d'incubation. Elle est caractérisée par une hyperthermie, une fièvre allant de 30. 39-40 degrés Celsius, accompagné de frissons, de céphalées et de, vomissements, et d'hyperesthésie cutanée. Donc ça veut dire que la, sensibilité de la peau, elle est vraiment très élevée. Il y a aussi un signe qui est, si on peut le dire, c'est le maître symptôme même de la méningite, qui est la raideur de la nuque. Comment diagnostiquer la maladie Dès qu'il y a présence de ce signe, la première chose euh, à faire, c'est la ponction lombaire. C'est elle qui permet de diagnostiquer réellement la, la méningite et de faire la différence entre les différentes méningites. Donc si c'est une méningite virale ou bien une méningite bactérienne. Mais maintenant dans les méningites bactériennes, et il y en a plusieurs formes. Et les formes que nous retrouvons ici au Niger le plus souvent, c'est les formes A, les formes C et les formes W12. Donc c'est les formes qu'on retrouve le plus souvent ici au Niger. Donc après cette phase d'invasion, il y a ce qu'on appelle la phase d'état. Donc lorsque la maladie s'installe vraiment, donc là, elle est caractérisée par ce qu'on appelle des syndromes. Tout d'abord, il y a le syndrome euh, méningé qui est caractérisé par une céphalée et des vomissements et, une constipation. Donc ce syndrome méningé, on peut l'appeler aussi le trépied méningé. Là aussi, il y a toujours la persistance de la fièvre, le pouls qui devient rapide. Au niveau paraclinique, euh, quand, on fait la numération, on peut trouver une leucocytose à à prédominance euh, polyneutrophile. Quand on dit une hyperleucocytose, c'est une élévation des globules blancs. Et les, les c'est une classe, c'est une lignée de globules blancs particulière. Est-ce qu'on peut traiter et guérir de la méningite Lorsqu'elle est vue très tôt, donc euh, elle peut guérir sans séquelles. mais quand elle est vue tardivement, la guérison est possible, mais avec séquelles quelles pourraient être les séquelles de la maladie Les séquelles qu'on retrouve le plus souvent, c'est la surdité, l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est lorsqu'il y a présence de liquide céphalo-rachidien au niveau des enveloppes, les, ménèges. Et donc, euh, il y a aussi une arriération mentale. Ça, c'est le plus souvent chez les, plus petits. Comment prévenir la méningite Tout d'abord, il y a le vaccin, donc qui peut protéger. Chez les personnes âgées, euh, elle peut assurer une protection allant de 3 à 5 ans. Et chez les plus petits qui, qui ont un âge de moins de 4 ans, ça peut assurer une protection qui dure moins que celle chez les personnes âgées, donc de 3 ans. D'où la nécessité de renouveler euh, le vaccin. Merci, euh, merci Mariam Abdou pour euh, ce mag santé. On en sait encore plus maintenant sur la méningite. Continuons notre voyage avec notre boys band de la musique Touareg. Ça, c'est le pur rock. de Etran efficace de Etran de l'Aïr. de Etran, de l'Aïr ou Étoile de l'Aïr. Mariam, ce groupe est originaire de la ville d'Agadez. Il met l'ambiance lors des mariages, baptêmes, événements politiques, soirées en plein air. Le groupe s'est formé en 1995 et fonctionne comme un collectif familial. Au fil des années, il s'est adapté amplifiant la guitare acoustique avec un microphone transducteur, acquérant des guitares électriques et éléments de la batterie. Et eh oui, Rabi, c'est comme tu l'as dit, fait du rock au désert blues. Restons toujours à Agadez. Notre reporter Tila Amadou s'est intéressé à la situation des enfants confiés à leur marâtre après le divorce ou le décès de leur mère. Ibrahim. goma sha biyu kullum ina zuwa retar abubuwan da ake da kyata nake rike su in na je ikwal har aka ke aka koro ni eh balla kwal wurin kishiyar mamata nike. kuma in baba na ya fita sai ta sa ni aiki ta sa ni shara ta sa ni wanke-wanke to yanzu ba ki lakwal ba makaranta eh makaranta ina zuwa amma wataran wataran ne in ke zuwa mata ba ta na an rabu da ita Wannan muryoyin wasu yara ne da na tarar da su kan bola suna tsinta wasu abubuwa da suke ganin in sun sayar za su samu na kashe. Duk da cewa yaran ba marayu ba ne amma musgunawa ta cikin gida ya sa su fice-fice da ma barin karatu. Halima Haruna ga nauce ba shi yau ba matsayinta na uwa ta faɗa ma studio Kalangu ita ma abin ya faru akan ɗanta bayan rabuwarta da miji. Ya amshi yaro yanzu yaro ya kai wajen swepe yaro sai ni in kula da shi ko mini ci. komi na shi ne ce kuma yaron na hannun shi kuma yaro bai samun kula ya tainan ya tainan ko da yaushe yana bisa hanya shari'a muka yi kara ta gidan juju juju ya ba shi da an tauye haƙi na kuma an tauye haƙin da tun da ya amshe shi babu kulawa manjo matsayin ta na uwa kira ta ga maza da su bar bambanta yara musamman ma in sun auri mace mai yara wanda shi ma ke kawo gurɓacewar tarbiyyar yaran sai ka aifi yaro a gan shi yana bi bisa titi ga dauda ga yiwuwa shi ma ta ishe shi ta cikin shi wancan ya kire shi ya aike shi wancan ya kire shi ya aike shi dai ya samu ladan na ya ci ina uwa take ina uba yake aishe shama'a shi ma uba akwai abin da baya da kyau uba ya mace ga ta zo da yaranta da ka arme ta ma da yaran ta miji ya mutu ya baro ta amma da diyanta to kai sai ka tashi ka bambanta su da naka su ma maza suna da laifi sai dai wannan al'amarin abin dubawa ne in ji muhammed Sani Anas da ke dora laifin ga 'yan uwansa maza tare da tunatar da su hakkin yaran da ke kansu da yawa ka samu maza sai su auro mace su kawo ta cikin gida karshe sai ta watsa mishi gida shi kuma ya auro ta ne don ta tarbiyyatar da yaran da ke akwai cikin gida da an fara samun yara tsakanin su da ita sai ta ware wannan nata ne wannan ba nata bane kenan kai uba duka iyanka ne in kaga tana nuna bambanci kai ne zaka ɗora doka ga yadda kake so a tarbiyyatar da yaranka a cikin gida to gaskiya ina ma maza nasiya akan su ji tsoron Allah ustaza Rabiatul Abdulkudusu da ke karantar da mata a birnin Agadez ta yi jan kunne ga 'yan uwanta mata masu kuntata ma yara kanana a cikin gidajen mahaifansu don ba babu mahaifiyarsu cikin gida. Cutarwa da zalunci da ake samu wajen waye wanda aka bar musu yara marayu ko kuma yara wanda sakamakon rabuwa aure uwayensa suka bar su aka bar su wajen su sama amana irin wannan musguna da ake ma yaro kasancewa wani haka hakanan sai ya bar gida wani kuma a same shi da wasu mummunan ɗabi'a ko kuma wasu halaye wanda ba su dace ba wanda in ma'aihin mutum ne ya yi tsaye duk hanyoyin da za ya bi ya ga ya shawo kan waɗannan matsaloli. ire-iren waɗannan matsalolin da yara ƙanana ke cin karo da su bai tsaya a nan agadasu ba domin ko ya zama ruwan dare inda al'umma suke fata ga ƙungiyoyi masu kare hakkin yara shugabannin al'umma da ma gwamnati sai sun gama ƙarfi da ƙarfe don ganin yara sun samu walwala don goben su ta yi kyau Tala amadu studio kalangu daga agades Chers auditeurs, nous sommes avec Tila Bonjour Tila. Bonjour. Ina kwana? Lahiya lau an tashi lahiya. Alhamdulillah ya wajen ku. A lahiya kalau ya aiki. Da dama wallahi. To Tila muna so mu sani me yasa ku zabi wannan maudu'in ko kuma akwai wani dalili daban ne? Eh to abin da yasa na ɗauki wannan maudu'in saboda batu ne wanda shike uwayen yara da kansu mutane ke tarbona suna zauwa su iske nura aiki su ce min wance kina ga yanzu abin da ke wakana yara cikin gida eh, yadda uwa in ta mutu ko kuma aka rabu da ita kin shi irin matsalolin da yara ƙanana ke fuskanta a cikin gida to matsayina na wadda take waye kai ta kafafen yada labarai nan sai na ɗauki abin nan da an gaya min shi wani bi haka kamar cikin ko su iske nurin aiki ko kuma haka cikin hirarraki haka na mata an gamu suna hirarraki wani bi nan nake samo tem to a cikin wannan hirarraki ne na samu wannan eh, zancen na ɗauke shi na ceto wanga abu gaskiya wanda a faɗakar da eh, al'umma bisan shi saboda batu ne wanda ya shahi rayuwar yara ƙanana a cikin gida kuma yaran ga su babu uwa ko kuma uba bai san abin da ake ya fita ta kasuwa tun da sahe bai san ya ba kenan kin ga irin wannan abu ya kamata sai ana waye kan mutane mata saboda su sani su san abin da suke ba mai kyau ne ba saboda ana cutar da yara ƙanana saboda yaro karami in aka cutar da shi tun yana kararrami kin ga akwai matsala haka ne hotila to hotila muna so mu sani ba ki wahala ba wajen samun wa'annan yaran su miki magana ni wahala guda ɗaya ce dai na samu saboda yadda ma na yi na samu yaran na hito daga wurin aiki zan taho gidana da yake cikin unguwanmu na akwai jibji bisa jibji na ga 'yan mata eh, ya da ƙauna ne 'yan mata abin da mini ciwo na tsaya na tambe ina cikin abin na ce ku tsaya na tsaya na tambe su kai ni kuke nema bisa shara suka ce mini a kwalabe ne suke nema wanda za su je su saida na ce ku ina uwayenku suka ce a gidansu yana nan cikin misirata na ce musu to uwa sun san ko na zauwa ne suka ce mini a'a ba su sani ba sahowa suke in sun samu suka sai da kwalban nan biyu dala biyar su tara ishirin talatin sai su sai awara na ce to ba a baku abinci a gida ne to abin nan ya sanya sai na ce ina ne gidanku suka ƙi gaya mini gidansu ina lallashin su suka ce min sai dai tantun su tana son filin jirgi wani karfi sai na ce to ko za ku iya ku kwatanta mini ina ne gidan tantun ku suka kwatanta mini na ce wurin tantin ta su kama wasu wasu ɗaya uban su ɗaya na tambaye ta nace ke ya riga shi yan mata ya kamata suna ikon ɗan ƙanana ya zama na suna cikin shirji bai kamata surtu mace na ce sai ta ce mini wallahi ba hannun su suke ba hannun eh, baban su suke kuma baban su ya kwace su sai na ce mata to na yi hira da su kin ji ke ji abin da suka ce mini sai ta ce mini haka nan ne na ce to ina iya amfani da wannan ta ce wallahi amfani da shi saboda tana a kwato musu yancin su ba. Mm, to tila oh. mun yana da ban tausayi wallahi to <laughs> za mu ci gaba da shirin namu témoignage est eh, vraiment des enfants qui laissent pas indifférents nous poursuivons cette euh, édition avec euh, notre chroniqueur sportif qui vient juste de nous rejoindre Guruza, ça va tu vas bien bonjour Rabi bonjour Guruza. bonjour Myriam alors, à l'équipe nationale du Niger I-23 se prépare pour le dernier virage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2023. Le Niger jouera face au Soudan. En effet, la rencontre est prévue le 20 mars prochain à Niamey pour le match aller. Mais en attendant, le jour J, le staff technique de l'équipe nationale U23 multiplie les matchs amicaux, notamment avec l'Olympique, l'AS Garde nationale, l'AS Police. Trois matchs, deux victoires, pour le U23. Pour l'entraîneur Zakriaou Ibrahim, l'état d'esprit de ses joueurs est au beau fixe. Écoutons. L'état d'esprit est bon. Nous entraînons sereinement. Il y a de cela à peu près un mois, préparons activement pour cette double confrontation avec le Soudan. Nous avons joué trois matchs amicaux avec les clubs locaux. Nous avons fait deux victoires. Donc, à l'issue de ces matchs, nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Euh, nous avons vu ce que jusque là où on peut aller avec ces locaux. Nous avons aussi remarqué que nous avons quelques insuffisances que nous allons certainement travailler euh, les jours à venir, les semaines à venir. Donc, tout se passe bien. les entraînements se passent vraiment avec beaucoup de sérénité. Eh oui, euh, notons qu'à l'issue des matchs entre le Soudan et le Niger, le vainqueur aura son billet euh, pour la phase finale au Maroc. Gouza, parlons un peu du championnat national de la Super League, suspendu en raison de la participation du Niger à la phase finale à Duchamp Algérie 2022. Rabi, la compétition étant terminée et c'est la reprise de la Super League qui est d'ailleurs programmée pour demain, demain 15 février, avec les matchs en retard, il aura les matchs AS nigélec de Niamey, Zongorzo de Maradi, Akokana FC d'Arlit, AS Douane de Niamey et Urana FC d'Agadez, USGN de Merci Gourouza. Juste après les sports, place au portrait de cette édition. Et oui, Mariam, dans la rubrique portrait d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fatih Mariko, chanteuse nigérienne. Elle s'est démarquée dans ce domaine depuis son jeune âge, dans les années 80. Qui est Fatih Mariko le portrait, c'est l'affaire de Oumu Oumaou. Fatima Rico est une chanteuse nigérienne de renommée notamment grâce à sa chanson Genna Genna. La soixantaine, elle nous parle de son parcours d'artiste et les raisons qui l'ont poussée à emprunter cette voie. J'ai commencé la musique en 86 quand on avait intégré le groupe Marhaba. C'est à travers ce groupe qu'on m'a reconnu jusqu'en 91 où le groupe s'est disloqué suite euh, au décès de mon mari qui était le chef de groupe. Avec le groupe Marhaba 2, en 2000, on avait déjà fait un album, Isaharo. En 2001, on a fait Bébé. Et en 2003, on a fait Inch'Allah. Donc c'était un destin. Sinon, j'étais une très bonne élève à l'école. Malheureusement, euh, ce qui a valu de ne pas continuer les études, j'ai été mariée à l'âge de 16 ans, d'où euh, j'ai pas pu continuer l'année-là. J'ai échoué au BPC et c'est de là que j'ai dit bon, je ne vais plus continuer. C'est là que je me suis inscrite euh, à, à ma libéraux pour apprendre la dactylographie. J'ai mon diplôme de dactylographe j'ai commencé même à travailler au complexe des arts Cabrin Cabra pendant au moins euh, un an et demi. Et c'est là-bas que j'ai démissionné pour me donner à la musique. Certes, le début n'a pas été facile, mais Fatima Mariko a pu se faire une place, explique son frère Omaru Mariko. Depuis son jeune âge, Fatih Assansan Hausa, c'est les femmes des villages qui viennent en cachette la prendre pour l'amener aux cérémonies de mariage. Elle chante et elle, elle intonne la chanson. On la donne 5 francs ou 10 francs. Mais notre père était contre. Il part la chercher. Voilà comment étaient ses débuts. Mais personne ne peut l'empêcher parce que c'est ce que Dieu a décidé pour elle. Fatih respecte les gens sans distinction. Elle apporte aussi son assistance autant qu'elle peut. Que Dieu ces chansons aussi me plaisent, car ce sont des conseils et des exhortations. C'est cela aussi son engagement. La route a été longue et semée d'embûches parce que les préjugés n'ont pas arrêté de circuler parce qu'elle et une femme, souligne l'artiste. Mais aujourd'hui, grâce à la musique, toutes les portes lui sont ouvertes, a déclaré Fatih. Grâce euh, à la musique, partout au Niger, là où je vais, on me connaît c'est déjà un grand avantage. N'importe quel bureau que je viens taper, il m'est ouvert. Donc, euh, euh, c'est déjà un grand avantage. Je ne fais rien que la musique et je vis de ça. Donc je peux dire que ça m'a fait du bien. J'ai construit cette maison dans l'argent de la musique. C'est avec l'argent de la francophonie que je l'ai construite. On a fait la formation, le cinquième jeu de la francophonie. Bien que, bon, c'est pas la musique c'est le seulement, parce que je fais l'art en gros. Je fais la musique, je fais le théâtre, je fais le cinéma, je fais la publicité, je fais la musique de scène, je fais la musique. Je compose pour des, organismes, tout ça. Depuis 86, c'est de la musique que je vis. Les difficultés euh, depuis mon début, c'est le fait d'être femme et de faire la musique. Il y a plein de tabous qui interdisent à la femme de se mettre sur scène, de parler plus fort, à plus forte raison, aller chanter en public avec la religion. Et aussi, il y a la population, parce que les gens ne comprennent pas une femme. Ils pensent qu'une femme qui fait la musique, c'est une prostituée, c'est une femme qui est de, de petites mœurs. Or, c'est tout le contraire. C'est pourquoi j'ai lutté pour garder ma dignité et pour que les gens puissent Savoir que la femme peut faire la musique et garder sa dignité. D'où aujourd'hui, partout où je vais, j'ai du respect. Les gens me respectent. Pourquoi Parce que je me suis respectée. Pour porter plus loin la musique nigérienne, Fatima Rico appelle les différents acteurs de s'unir. Moi, je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps qu'on s'unisse pour mener des grands combats. Il est grand temps que notre musique puisse vraiment euh, euh, aller au plus haut niveau que nous le souhaitons. Nous, en a fait. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans des compétitions internationales et qui sont sélectionnés. Et s'ils vont éparpiller, je pense que ça ne va pas aller. Chacun a quelque chose à donner à l'autre avec mon expérience, j'ai quelque chose à donner. Avec un jeune qui n'a pas encore d'expérience, il a quand même son talent à donner. Donc moi, je pense que s'unir est la meilleure façon pour nous d'avancer. Mariam, c'est chouette de découvrir encore cette grande dame. Moi, je l'adore depuis toute petite. J'étais trop sa musique. moi, je la kiffe trop. Mais ben voilà, on va faire un autre tour en musique. Le dernier, Mariam. Restons toujours à Agadez, cette fois-ci du rap, avec le titre Tahatile de Obaz. Dans cette chanson, il dit qu'il y a de l'amour dans l'air. Ben, il y a encore plus d'amour avec la Saint-Valentin. Euh. اجل دوبان عرق نضمني نهات ندين كيور غاماني تو تفضل تبدا زور تصفني تو سكت بدو مستنى صماني اذنيني يقص ولا يقصي اول تكرتو ترى يددي تقدر لادس خايا ما ادري Tes photos sont toujours dans mon tiroir. Te rendre heureux, ça c'est mon devoir. J'y joue les jaloux, vas-y te faire voir. Aïe Ganda, j'ai toujours la couloir. Notre amour n'est jamais à revoir. que mi voulez nadam encore revoir. De mon cœur, tu connais tous les couloirs. Rien de mon cœur, je t'ai confie le pouvoir. شفتك اصدعي ترهات لي غلاي ترات لي دوالي تبقى زي تماري ترنا فكرة اصدعي ترى عود عمضل كم قزع عليك À cause de toi, on m'a dit tu es fou. Si tu me laisses tomber, je serai fou. De loups hors d'amour, on les fou L'amour c'est entre nous, le reste on s'en fout. والله يا صون فو كابتاج القمات ورقي شنو كي كياخدو بندرس <laughs> وراك دي داهرة عسك الناس انا هناك درس وبازور من ضيا صوت لغيت تزاد النود وما تخليك مال انت جيد سخنة كوركي الشونية النغاس امي خاطر ولن بيبي ورم من ضيا

Excuse-moi, j'étais sur les nuages, ma belle. <laughs> Mariam qui comprend tout ce qu'il dit, elle est vraiment, il love là. Ah, fallait savoir, hein. Ah, ah oui. Il lit trop de choses. <laughs> <laughs> Ben, ok. Encore plus d'amour euh, sur le Niger. Et ça coïncide à la Saint-Valentin aussi. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Place à la rubrique Lotti, pensée réalisée par l'équipe femme du studio Kalangu. Dirabi, est-ce que tu accordes une attention particulière à tes ongles Et... Eh. Et si ce n'est pas le cas, dans la rubrique Lotti, nous proposons des astuces pour fortifier, blanchir et hydrater vos ongles. On écoute Karimi et Mariama Diallo. Voilà. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hé eh, Dieu, encore un ongle qui se casse. Waouh, c'est joli ça. Quoi Mes ongles Tu vois, non Regarde les miens, tout est cassé. C'est terrible. Mais toi, comment tu fais pour avoir des ongles solides et en pleine santé D'abord, arrête de ranger tes ongles tout le temps. Pour des ongles cassants, des ongles mous, des ongles qui se dédoublent ou des ongles impossibles à garder longs, à chaque cas, sa solution. C'est vrai ça Bien sûr. Écoute, au moins une fois par semaine, coupe une rondelle de citron, frotte tes ongles matin et soir pendant au moins 15 jours. Ajoute quelques gouttes d'huile d'olive sur le demi-citron et tu auras la solution idéale pour fortifier, blanchir et hydrater tes ongles en un seul geste. Et si je veux que mes ongles soient très propres Pour débarrasser tes ongles de toute leur impurité, frotte-les deux fois par semaine avec une brosse à dents imbibée d'eau chaude et de bicarbonate de soude. Mais si j'ai fait tout ce que tu viens de me dire, es-tu sûr que j'aurai un bon résultat Bonne question Après avoir essayé tous ces soins et traitements, si tes ongles restent fragiles et cassants, le problème vient peut-être de ton alimentation. Comme les cheveux ou la peau, les ongles en mauvaise santé peuvent témoigner de carences alimentaires carence alimentaire. C'est quoi encore tout ça <laughs> Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque à ton organisme. Pour les dépister, un petit bilan sanguin s'impose. Des ongles fragiles sont souvent la résultante d'un manque de fer que l'on trouve dans la viande rouge, le chocolat noir, les fruits secs ou d'un manque de calcium que l'on trouve dans le fromage et le lait. Optez pour une alimentation équilibrée, riche en huiles végétale, en soja, en crudités, en légumes, en poissons et souvent la clé pour retrouver des ongles plus solides. Yes Je m'y mets tout de suite. Merci ma chérie d'amour, tu es géniale. à l'équipe femme du studio Kalangu pour cette astuce. Le loti, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Mais l'émission du Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique, un voyage à travers les mots et expressions. Eh oui, Rabi, dans ces studios, nous sommes avec Gungu Mohamed Danteni. Avec lui, nous allons découvrir les mots apatridi. Bonjour, Gungu. Bonjour, Mariam. Et eh bien, merci d'abord à l'émission Le Niger sur Kalangu pour m'avoir invité et parler un peu de patridie. Qu'est-ce que c'est que patridie Il faut d'abord retenir que le droit international définit un apatride comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant en application de la législation. Pour dire les choses simplement, un apatride ne possède euh, la nationalité d'aucun pays. Certaines personnes sont nées apatrides alors que d'autres le deviennent. Il y a des apatrides dans toutes les régions du monde. La majorité de ces personnes sont nées dans les pays où ils ont toujours vécu. Le fait d'être apatride a souvent des conséquences graves qui durent toute la vie, souvent exclus du berceau de la tombe, privés d'entités juridique à la naissance, privés d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, au mariage, à l'emploi pendant leur vie et même privés de la dignité et d'un certificat de décès à leur mort. Beaucoup transmettent la patrie à leurs enfants qui la transmettent ensuite à, la génération suivante. Aujourd'hui, des millions de personnes qui sont privées de leur nationalité dans le monde luttent pour obtenir des droits élémentaires que la plupart d'entre nous considèrent comme acquis. Alors, si vous le permettez, je m'en vais euh, traduire ce que je viens de dire en français pour permettre aux autres aussi de comprendre. ma'anar apatrid da hausa cewa da marasa 'yan kasanci 'yancin 'yan ƙasa ya fayyace a da wato marasa 'yan kasanci mutum wanda ba ƙasar da ta ɗauke shi tamkar ɗan asalin ƙasarta bisa dokar ƙasa hakan ana nunin kawai ne duk maras 'yan kasanci da bai da takardar shaidar 'yan kasanci na kowace ƙasa wasu mutane ana haifuwarsu cikin yanayin maras 'yan kasanci wasu kuma na zama marasa 'yan kasanci daga baya ana samun marasa 'yan kasanci da dama a cikin yankunan duniya wasu marasa 'yan kasancin an haife su ne a cikin kasashen da suka gudanar da dukkan rayuwarsu rashin 'yan kasanci yawanci lokuta yakan haddasa tasiri mai sakamakon haɗari da ke kanta tsawon rayuwarsa miliyoyin mutane sun rasa 'yan kasancinsu a fadin duniya kuma suke fafutukar samun wannan 'yanci mafi kananci wanda yawancinmu ke ganin tamkar an same shi ne wani bi wa'anda aka ware rayuwarsu har zuwa makwanta aka hana wa takardar shaidar gano rayuwarsu a shara'ance aka hanawa samun ilmantarwa kulawar samun magani samun aure samun aiki a cikin rayuwarsu har ma masu rasa mutuncin binnewa a hukumance da kuma ba da takardar shaidar sun rasu da dama na ballawa 'ya'yansu rashin 'yan kasancin da yaran su kuma ke ɓallawa zuri'arsu mai bi musu. Merci bien Gungu d'enrichir notre vocabulaire avec cette rubrique. Oui, merci bien Gungu. Ma Mariam, c'était la rubrique culture linguistique du Niger sur Kalango. Il y a beaucoup d'amour entre nous et nos auditeurs. Dans tout le pays, ils écoutent nos programmes sur les ondes des médias partenaires, sur notre site internet www.studiokalango.org et sur les réseaux sociaux. Eh oui, Rabbi, à Koni et eh, Balayara, des auditeurs nous ont envoyé leurs avis et leurs contenus de propos recueillis par notre correspondant sur place, Hasmi Moussa Arzika. Nasar Hashima sunana. Alhamdulillah shirye-shiryen studio Kalangu muna jin daɗin shi sosai. Ni dai da lokaci yayi sai na tsaya na saurari studio Klongu. alhamdulillah duk shirye-shirye shina birge ni ana ba kowa dama ya saurare shi da kabilar shi kuma na biyu ga forum suna yi wanda aka waye ma talakawa kai bisa ga shi a yi minti 45 ana waye ma talaka kai ai ma da ka ciya su kan si gani a ta kurai kwai an goban lara walla studio kalango a gwanda ma'ana gumo zan burga ma labari kimcimi da ba dumdumino ni ga maga Assalamu alaikum rahmatullah suna na Amiru Sahabi mai sauraron kalangu a koda yaushe ina kamowa ta karkashin rediyon niya FM nan kwanni wato gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna birge ni sosai sabida ga yanda ake sawa shirye-shiryen su ana yi da Hausa ana yi da Hillanci ana yi da Zabarmanci ana yi da Faransanci shi yasa kaga koda yaushe ina sauraron da kalangu abubuwan da ka kana Nijar gaba ɗaya muna ji gaskiya ta sanadiyar studio kalangu ai mayo rukayya balle ya yaran ai ga hangan studio kalangu se dimanche da samedi kulu furta gai wana labarai bon n'o ti faruk aliyo barga kango ne balla yara kwara ai mono ganga studio kalangu se studio kalangu sigir yenno igidan kan niga ma niger labaru niger talatu kulbo no nge wo gasala nan kan nugo dam nan kan nisi ikul labare niga ra studio kalangura ni suna na hadiza gaskiya abin da studio kalangu suke sa yana birge hamma bisa kan harkokin mata daban-daban da suke sawa na abin nan yana ban shawa bisa kan kuma labaru da suke sawa tun karhe biyar har zuwa karhe shida da 'yan mintoci don ko doshe ina sauraron su suna sa labaru bisa kan halsoshi daban-daban na ƙasar Nijar kuma ko shi yana birge ni don wasu labaru ma in ba da kalangu ba ba mu jin su abin da muke bukata su ci gaba da Ça fait plaisir d'entendre un feedback sur ce qu'on fait. Ici prend fin notre émission de ce mercredi 14 février 2023. Nous étions en compagnie de Rabia Mekano et Mariam A Adesufu. Un plaisir de partager cet instant avec vos chers auditeurs et radio partenaires. Bonjour Nafissa. Notre présentatrice nous rejoint pour nous donner un aperçu des points forts de l'édition du soir. Et oui, Mariam, pour la grande édition de 17h, nous parlerons des cas de malades de la varicelle qui augmentent ces jours dans la ville de Niamey. Ensuite, nous irons à Zender pour parler d'un film long métrage intitulé « L'amour est un oiseau d'un jeune réalisateur de la région. Ce film sortira demain soir au Centre culturel franco-nigérien. Dans le magazine Bien-être de ce mardi, nous parlerons de la prise en charge des enfants orphelins Niger. Et ce n'est pas tout. À partir de 18h15, on peut suivre le forum Espace Femmes présenté en Hossa dans le département de Mayaï sur l'impact de la migration sur les ménages. Rendez-vous donc à 17h. Ben, rendez-vous pris. D'accord. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Et encore joyeuses fête des amoureux à tous.